le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du Messieurs, dames, euh, bonsoir. Euh, merci de nous recevoir euh, chez vous pour le forum du studio Kalangou à la présentation Rahilat Soumana. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4, Enfani FM 100 et Kwarategi 90.9 FM. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birnengauré, Tirozerine, Magaria, Meinesoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel, Sai, Walam, Dogandouchi, Madawa, Dakoro, Tanut, Ngingimi, Kablewa et le forum du studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Dans le cadre du forum, nous faisons appel à des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Aujourd'hui, nous parlerons de ces maladies devenues plus fréquentes chez les adultes et de nouvelles maladies chez les enfants. Les maladies telles que l'hypertension artérielle, l'accident cérébral vasculaire AVC, les maladies rénales, les maladies de la peau et les cancers qui jadis apparaissaient plus chez les personnes âgées, aujourd'hui les jeunes et les enfants aussi en sont victimes. Comment expliquer cet état de fait Ces maladies sont-elles liées à notre alimentation ou notre environnement Peut-on les prévenir ou encore euh, peut-on en guérir Quelles sont les causes et les conséquences de toutes ces maladies Ce sont à ces questions et bien d'autres que nos invités ici présents vont y répondre. Ce soir, euh, nous recevons tout d'abord euh, Dr Salamatou Niaouro, néphrologue à l'hôpital national de la Mordée. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Idrissa Hama, médecin cardiologue à l'hôpital national de Niamey. Bonsoir. Et docteur Dulla Moussa, dermatologue aussi à l'hôpital national de Niamey, qui va nous rejoindre incessamment. Merci, cher invité, de nous avoir honorés de votre présence. Messieurs, dames, bonsoir. Dans le forum de ce soir, nous allons faire le tour de certaines maladies dont sont victimes beaucoup de Nigériens. Il s'agit tout d'abord de l'hypertension artérielle que certains appellent communément tension. Selon l'OMS, l'hypertension est un problème de santé publique mondiale. D'ailleurs, c'est l'une des principales causes de mortalité précoce dans le monde. Dans le monde, plus d'un milliard de personnes souffrent d'hypertension. En 2008, au niveau mondial, la prévalence globale de l'hypertension chez l'adulte était de 25 ans ou avoisinait 40 Toujours selon l'OMS, près de 8 millions de décès par an sont enregistrés. Docteur Hamma, vous êtes cardiologue à l'hôpital national de Niamey. Quand parle-t-on d'hypertension artérielle et quelles sont les principales causes Merci. Madame Rahila, de nous avoir euh, honoré ce jour pour vous entretenir par rapport à la maladie hypertensive, pour discuter, pour sensibiliser la population vis-à-vis de ce fléau qu'est l'hypertension artérielle qui est devenue, comme vous l'avez dit tantôt, un problème de santé publique. En effet, c'était une maladie bien avant qui était jadis attribuée aux personnes âgées. Nous avons déjà dépassé la phase transitionnelle dans les pays en voie de développement où elle constitue le premier facteur de mortalité quand on prend bien sûr les maladies euh, non transmissibles. Donc euh, pour définir euh, l'hypertension artérielle, il s'agit d'une élévation des chiffres tensionnels. Les chiffres tensionnels, c'est ce que communément quand les malades vont à la consultation, quand on met le brassard, on prend la tension. Donc il y a deux petits chiffres, le premier chiffre et le deuxième chiffre. Donc c'est quand ces chiffres la dépassent 140 pour le premier et 90 pour le deuxième. Donc en ce temps, on parle alors d'hypertension artérielle. Maintenant, il faut relativiser ces chiffres tensionnels en fonction du contexte et de l'âge. Comment se manifeste cette hypertension L'hypertension artérielle euh, n'a pas communément des signes cliniques évidents. Néanmoins, quand l'hypertension artérielle est sévère, on peut avoir bien sûr des signes cliniques euh, tels que les maux de tête, les vertiges et ou quand il y a des complications liées à l'élévation excessive de la pression artérielle, d'où la survenue de ce que vous avez appelé tout de suite l'AVC, l'accident vasculaire cérébral et bien d'autres atteintes d'organes que certainement nous allons développer dans la suite du débat. Donc, euh, on considère que le vieillissement de la population et l'urbanisation rapide contribuent grandement à la prévalence accrue de l'hypertension dans les zones urbaines. Y a-t-il un âge pour être hypertendu L'hypertension artérielle est une maladie qui ne connaît ni âge, ni sexe, ni race. Mais plutôt, c'est lié à beaucoup de facteurs. Euh, Donc, premièrement, nous avons changé de mode de vie à cause de cette urbanisation grandissante qui nous rattrape. Du coup, les gens mangent très mal, les gens mangent salé, les gens ne font pas de sport, ils mangent trop sucré, les gens deviennent obèses. Et donc, du coup, ce sont ces multiples facteurs-là qui contribuent à augmenter la prévalence de l'hypertension artérielle dans la population générale. D'où nous pouvons dire que autant les anciens ou les personnes âgées peuvent être atteintes d'hypertension artérielle que les personnes de deuxième troisième âge ou quatrième âge peuvent aussi également être atteintes dans les mêmes proportions. Est-ce que l'hypertension artérielle est héréditaire quand on cherche les causes de l'hypertension artérielle, on peut avoir un facteur héréditaire, mais c'est l'ensemble de ces facteurs-là qu'on a cités un peu haut qui constituent les, les principaux risques qui nous exposent à la survenue de l'hypertension artérielle dans la population générale. D'accord, on dit que en cas d'hypertension artérielle, euh, quatre types de complications sont à redouter, euh, comme euh, une atteinte au cœur, au rein, au cerveau et l'œil. Quel est le rapport entre la pression artérielle et ces organes cités L'hypertension artérielle, effectivement, quand ça devient excessivement élevé, peut avoir des répercussions sur ces différents organes, comme vous l'avez tantôt cité. Maintenant, il faut essayer d'évaluer le risque global le risque global, c'est quoi C'est des facteurs indépendamment de la présence de l'HTA, il faut chercher les autres risques cardiovasculaires, à savoir maintenant ce tabagisme grandissant, la sédentarité, la malbouffe et la consommation, bien sûr, de tout ce que nous fait comme publicité de bouillons. Donc, quand on évalue un peu ces facteurs de risque qui contribuent à élever la pression artérielle et quand les complications de l'hypertension artérielle surviennent, parce que la le système cardiovasculaire, c'est un circuit qui est clos. C'est comme euh, une motopompe avec euh, sa tuyauterie. Et donc, cette tuyauteries, c'est l'ensemble des vaisseaux qui irriguent l'ensemble de l'organisme. Et tout ce que vous avez cité comme euh, organes que l'hypertension peut avoir des répercussions sur eux quand la tension est très élevée sont irrigués bien sûr par les vaisseaux. Et quand il y a une complication vasculaire liée à la pression artérielle, ça veut dire que ces complications peuvent survenir également sur ces organes que vous avez cités très haut et également lui-même le cœur, parce que le cœur même en tant que tel est irrigué par les mêmes types de vaisseaux. Et donc ces complications, en fonction des autres facteurs de risque associés, nous pouvons dire que peuvent survenir par exemple sur euh, le, dans le cas de l'accident vasculaire cérébral quand il y a d'autres facteurs associés, quand quelqu'un est pertendu euh, ou associé à de l'obésité avec un excès de cholestérol, on peut dire que la survenue de ces AVC là est multipliée par 16 ou quand la personne est fumeur avec de l'HTA, on peut dire que la survenue de ces complications est multipliée par 9. Ainsi, s'il y a beaucoup de facteurs de risque associés, à savoir l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'hypercholestérolémie et bien sûr euh, la sédentarité, nous pouvons dire qu'on peut avoir des risques qui peuvent être multipliés jusqu'à 36 fois. Et donc, du coup, ces organes, euh, quand elles sont atteintes également, vont contribuer à augmenter eh, la mortalité de l'ensemble des patients qui sont atteints, bien sûr, de l'hypertension artérielle. Merci, docteur Hamma. Je me retourne vers vous. Docteur Salamatou, vous êtes euh, néphrologue à l'hôpital national de la Mordée. Donc, nous en parlions tout à l'heure, certains problèmes rénaux pourraient être liés à l'hypertension artérielle. Tout d'abord, quel est le rôle du rein Merci beaucoup, Rahila, pour l'invitation. Le rôle du rein c'est le rôle du filtre, filtre pour l'organisme. C'est-à-dire que tout ce que vous consommez, tout ce qui rentre dans le sang, c'est le rein qui filtre ça et que vous éliminez ça sous forme d'urine. Et donc, euh, quand le rein n'est pas filtré, quels euh, pourraient être euh, les dangers qu'ils encourent et Quand le rein n'arrive plus à assurer son rôle de filtre, alors le danger, c'est que les déchets vont s'accumuler dans l'organisme. Et quand les déchets s'accumulent dans l'organisme, alors tous les autres organes peuvent être touchés. Exprimer le cœur, le cerveau, tous les autres organes peuvent être touchés. Comment se manifeste cette intoxication Cette intoxication, il n'y a pas de signes spécifiques, d'autant plus que tous les organes peuvent être touchés. Donc il y a plusieurs manifestations possibles. Il y a d'autres patients qui vont présenter juste une asthénie, d'autres une, la fatigue une fatigue générale, ils sont tout le temps fatigués. D'autres, ils sont là, ils ne dorment pas. Vous allez voir des personnes qui toute la nuit restent éveillées, mais la journée, ils dorment. D'autres, c'est des vomissements. Quoi que vous fassiez, ils vomissent. D'autres, les vomissements sont accompagnés de diarrhée. D'autres, c'est des saignements. D'autres, c'est une tension incontrôlable. D'autres patients, ils n'urinent plus. Et dès qu'on n'urine plus, donc, euh, ça devient un peu plus grave. D'autres patients y a, deviennent tout, tout gonflés. Ça dépend, il n'y a pas de signes spécifiques en fait. Et donc, euh, de nos jours, il y a certaines personnes qui souffrent de calcul rénal. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que ça veut dire le calcul rénal Le calcul rénal, ça veut dire il y a la présence des calculs au niveau des reins, ou bien pas précisément au niveau des reins, sur les voies urinaires. La présence des calculs. Et là, la cause la plus fréquente, euh, c'est surtout Bon, premièrement, il faut, y a un facteur qui est là. Peut-être il y a de certaines personnes qui ont un facteur héréditaire qui est là. D'accord Et mais surtout, la cause, ce qui favorise, bon, même s'il y a ce facteur héréditaire, ce qui favorise surtout la survenue de ce calcul, c'est la déshydratation. Manque d'eau, le fait qu'on ne boit pas beaucoup d'eau. Parce que même si tu as le facteur, si tu ne bois pas beaucoup d'eau, les protéines qui sont là peuvent se cristalliser. Et là, ça devient avec le temps de calcul. Parce qu'en fait, les urines ne sont pas du lieu. Parce qu'il faut, il faut savoir que tout le monde a ces petits cristaux euh, dans les urines. Mais le fait qu'on boit beaucoup d'eau, on urine fréquemment, donc on ne donne pas à ces cristaux le temps de s'agglutiner et former des calculs et ils sont éliminés. Maintenant, pour quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau, donc les urines vont rester concentrées. D'accord Et certaines personnes, même si s'ils ont envie d'uriner, ils refusent. Donc les urines restent pendant longtemps et concentrées. Et quand ça reste longtemps concentré, alors ils vont s'agglutiner et former des calculs. Et quelle est la conséquence euh, de ces calculs Les conséquences, si la personne a de la chance, elle va faire une crise de colique néphritique, c'est-à-dire des douleurs abdominales intenses, insupportables. Donc, on va faire des analyses, on va voir que c'est un calcul, on va l'opérer. Mais certains calculs, ils sont là. Bon, là, c'est des calculs qui sont sur le voies urinaires, pas précisément sur le rein. Là, tu vas faire une crise de colique, les douleurs abdominales. On va découvrir, on va t'opérer. Mais pour certains, c'est au niveau des reins. Donc, ça évolue doucement, doucement, les calculs grandissent, grandissent jusqu'à occuper tout le rein. Et quand on va se rendre compte, c'est déjà trop tard. Le rein est déjà bouché. Et comment est-ce qu'on peut soigner ces calculs euh? Si c'est pas trop tard, on peut soigner en enlevant les calculs. On opère et on enlève les calculs. Donc, euh, en buvant beaucoup d'eau, on ne peut pas y remédier On peut éviter. Voilà. Ok, d'accord. Donc, euh, nous disons tout à l'heure que l'hypertension artérielle est aussi cause d'accidents vasculaires cérébral, communément appelé AVC. Autre affection dont sont victimes les populations. Les jeunes sont de plus en plus touchés et aussi les sportifs euh, de haut niveau. Les AVC constituent un problème majeur de santé publique. Il reste une pathologie grave par le fort taux de létalité. Docteur Hama, vous êtes cardiologue à l'hôpital national de Niamey. Qu'appelle-t-on accident vasculaire cérébral communément appelé AVC L'accident vasculaire cérébral communément appelé AVC, c'est comme son nom l'indique, c'est une interruption ou un ralentissement du sang principalement au niveau du cerveau, c'est-à-dire que on peut avoir une rupture d'un vaisseau qui irrigue le cerveau, ou bien on peut avoir un obstacle qui empêche à ce que le sang passe au niveau d'une partie du cerveau. C'est ça qu'on appelle AVC. les conséquences, ça dépend du territoire, ça dépend de son étendue. Les conséquences varient en fonction de ces paramètres. Donc ces conséquences sont c'est le déficit, c'est c'est l'importance fonctionnelle, l'incapacité au patient de mouvoir une partie de son corps, une partie de son visage, et ou des complications qui peuvent amener le patient jusqu'à dans le coma, auquel cas où la prise en charge a été euh, rapide, on peut récupérer la vie des patients. Hein, les patients qui consultent un peu tard, malheureusement, on, en perd beaucoup, surtout dans nos hôpitaux où on ne dispose pas suffisamment de moyens techniques pour prendre en charge correctement les malades. En effet, et les accidents vasculaires cérébraux peuvent être évités, bien sûr, en prenant en charge correctement et en faisant un suivi régulier, bien sûr, de l'hypertension artérielle et des autres facteurs cardiovasculaires. Donc, euh, du coup, nous appelons bien sûr euh, la population à s'atteler au suivi, bien sûr, chez les, patients pour chez qui déjà on a diagnostiqué l'hypertension artérielle de bien faire leur suivi et de suivre les conseils qui leur sont donnés, bien sûr, parce que nous savons bien sûr qu'à cause de nos conditions de morosité économique ou de la pauvreté de la population. Les gens parfois ne peuvent pas s'approprier ou bien ne peuvent pas se procurer l'ensemble des médicaments que nous nous prescrivons parfois ou bien à cause d'autres réalités, les patients parfois hésitent même dans l'acceptation de la maladie, du coup, ils peuvent arrêter euh, de façon volontaire le traitement. Est-ce que le traitement coûte cher Bien sûr que le traitement en fonction parce que euh, bien sûr notre euh, niveau de vie n'est pas très élevé, le SMIC est très bas. Quand on demande même si c'est euh, des médicaments qui coûtent peut-être 3 000 à 5 000 mois, il y en a des gens qui n'arrivent pas à se procurer ces médicaments de façon continue jusqu'à la fin de leur vie parce que le traitement de l'hypertension artérielle, quand on démarre le traitement, on n'arrête pas le traitement jusqu'à la fin de la vie. Donc quelqu'un qui a un mode de vie qui est très très faible, qui à qui on demande d'acheter des médicaments toute sa vie et tout le temps. bien sûr, même quel que soit le coût avec notre pauvreté, on ne peut pas dire que c'est pas cher néanmoins. Maintenant, avec euh, les différents laboratoires qui nous ont amené du générique, on peut avoir bien sûr des bons génériques qui, ne coûtent pas cher et que les patients, quand ils sont observants, quand ils suivent bien le traitement, et peuvent bien se procurer euh, les médicaments pour pouvoir éviter bien sûr ces complications euh, communément appelées AVC et les autres problèmes cardiovasculaires. ce n'est pas seulement les AVC. Les AVC, c'est parce que c'est les plus fréquents ou bien c'est les plus frappants dans la population générale à cause euh, de l'invalidité que ça, que ça entraîne parce que l'AVC, quand ça survient, par exemple, chez une maman de famille ou un père de famille, ben, c'est toute la famille qui s'écroule parce que celui qui se charge de chercher les moyens pour nourrir la famille n'est plus valide, cause problème. C'est pour ça que c'est un problème qui frappe la population, mais ce n'est pas autant pour, euh, pour autant que c'est la complication la plus redoutable des complications liées à l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle également peut donner ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde parce que si vaisseaux du cœur se rompent et que le sang ne passe pas au niveau d'une partie du muscle cardiaque, ça peut donner l'infarctus du myocarde qui est plus grave. Est-ce que c'est ce qu'on appelle crise cardiaque Oui, bien sûr que ça peut donner la crise cardiaque. Et quand la crise cardiaque euh, survient, euh, la mortalité est plus élevée que dans les AVC. Mais les autres euh, complications de la tension sont aussi graves que l'AVC. Et donc, du coup, les gens doivent s'atteler à ce qu'ils prennent bien correctement leurs médicaments et éviter les autres risques cardiovasculaires. Est-ce qu'on peut s'en remettre d'une invalidité causée par euh, l'AVC Effectivement, si la prise en charge, comme je disais tantôt, est précoce, on peut bien récupérer de son AVC. Malheureusement, dans nos pays où, à cause de la pauvreté, les gens consultent en retard, parce qu'ils savent en partant à l'hôpital, il n'y a pas de moyens et ils ne veulent pas venir très tôt à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il faut rassembler d'abord les moyens pour venir se faire soigner et du coup, euh, les patients sont vus tardivement alors que déjà euh, les complications séculaires ont commencé déjà à s'installer. Du coup, ça cause problème parce que parfois les gens restent invalides tout au long de leur vie. Mais c'est une maladie, effectivement, les patients peuvent récupérer totalement quand ils sont pris en charge correctement. Donc, j'en appelle bien sûr à la conscience de tous les, de tous les patients et de toute la population que quand vous, vous manifestez ces des déficits, vous constatez qu'une partie de votre corps ne marche pas bien, ou bien de votre visage, ou vous sentez des trucs, il faut consulter le médecin le plus tôt parce que la prise en charge rapide constitue le facteur de guérison aussi le plus rapide. Merci, docteur. Donc, euh, docteur Salamatou, vous êtes néphrologue à l'hôpital national de la Mordée. À votre avis, peut-on associer certains problèmes des reins à la consommation des décoctions traditionnelles de plantes? Bien sûr. Il faut savoir d'abord euh, le problème rénal, euh, l'insuffisance rénale, et tout peut causer une insuffisance rénale. Et précisément dans le contexte, surtout nous avons les causes toxiques. Il y a l'HTA, bien sûr, il y a le diabète, mais il y a surtout les causes toxiques. Quand j'ai dit causes toxiques, il y a la phytothérapie, si vous appelez les décoctions, il y a l'automédication, que les gens, surtout maintenant, et je vais même ouvrir une parenthèse, parce qu'avant, l'HTA pas maladie, c'était, on, considère que c'est une maladie des personnes âgées. Mais maintenant, nous, précisément chez nous, à Nifro, on a plus de jeunes, 20, 21 ans, 25 ans, moins de 30 ans en tout cas, qui viennent avec une tension très élevée, incontrôlable, qui bousillent les reins. Je suppose que c'est dû à des causes toxiques, surtout. Est-ce qu'il y a d'autres euh, affections du rein que vous rencontrez à l'hôpital de la Mordée Bien sûr, il y en a. Il y a des causes infectieuses. Par exemple, le paludisme que tout le monde néglige. Il y a la déshydratation, il y a la diarrhée, il y a certaines maladies héréditaires. Il y a plusieurs causes, mais les causes les plus fréquentes actuellement, vous avez surtout les causes toxiques et infectieuses. Est-ce que toutes ces affections de rein dues à des infections ou le palu peuvent être soignées sans conséquence Oui, si ça a été diagnostiqué précocement. Mais malheureusement, les cas, les le cas toxique, on les reçoit tardivement. Les infections, ça aussi, bon, il y a des cas qu'on arrive à récupérer. Si le patient consulte euh, rapidement, dès qu'on arrive à gérer l'infection, on peut, on peut corriger mais le plus souvent, les patients arrivent dans un tableau de sepsis, l'infection sévère, et là, la, euh, prise en charge devient compliquée parce qu'il y a surtout avec le manque de moyens. Donc, par exemple, quelles sont les infections qui causent euh, ces problèmes-là Je vous ai donné l'exemple de paludisme. D'accord Par exemple, une gastro-entérite, fébrile, une gastro-entérite, ça veut dire que les diarrhées, les vomissements, suite à une toxicité, vous avez mangé peut-être un, aliment conso et contaminé, vous faites la diarrhée et le vomissement, vous ne venez pas à l'hôpital, soit disant c'est. Qu'est-ce qu'on appelle ça en Hausa Zahi. Diarrhée, vomissement, et vous faites une phytothérapie, les médicaments traditionnels, et là, vous aggravez le tableau. Et là, quand vous venez, ça devient compliqué. Est-ce que les infections urinaires aussi en font partie Bien sûr, ça fait partie des causes d'ailleurs, surtout chez les diabétiques qui bousillent les reins. Parce que les infections urinaires, si c'est aigu, d'accord, la personne vient, on traite l'infection urinaire, on peut récupérer à 100% les reins. Mais des fois, les, gens attribuent ça à Zahi. Donc, au lieu de consulter, on fait le traitement traditionnel ou bien automédication. Dès que tu as une fièvre ou bien tu as mal quand tu urines, tu dis c'est Zahi, tu vas, tu prends Cipro trop C'est ce que les gens se font maintenant. Cipro trop fragile, c'est ce que les gens se prennent. Tu prends ça ou bien tu fais une phytothérapie. Et là, ça détruit progressivement les reins. Quand, quand tu seras à l'hôpital, c'est déjà trop tard Tu es déjà au stade chronique. Et donc euh, là-bas, au service euh, de la néphrologie, quelles sont les personnes euh, qui, qui, sont hospitalisées là-bas, qui font les dialyses il y a toutes les catégories. Il y a les jeunes, les plus âgés. De, on a même l'habitude d'avoir des enfants de, de 8 ans hein, en dialyse. De 8 ans en dialyse. Et là, c'était des décoctions. Et donc, à quel moment intervient la dialyse La dialyse, quand le rein n'arrive plus à épurer les sangs Donc là, on est obligé d'aller en dialyse. Il n'y a pas autre solution Non. Et quand est-ce qu'ils font les greffes de rein Les greffes de rein, quand les reins ne sont plus fonctionnels, d'accord, et que dès que la personne a un donneur, on peut lui faire sa greffe de rein. Est-ce qu'on fait les greffes de rein ici à eh l'hôpital Non, ça c'est pas en Afrique, c'est pas donné pour l'Afrique pour le moment. <laughs> Merci, docteur Salamatou. Donc euh, on revient à Dr Hama qui est cardiologue. Est-ce que les enfants aussi peuvent être atteints de l'hypertension pour conduire à, l'AVC Effectivement, on peut avoir de l'HTA chez les enfants, par exemple dans les cas de maladies rénales ou bien de l'insuffisance rénale. On peut avoir euh, secondaire bien sûr à la prise de décoction car le RN ne filtre pas, ça veut dire que le volume sanguin augmente et la pression artérielle est dépendante du volume sanguin et ça peut donner bien sûr l'attention. Euh, la tension. la tension, si vous le voulez bien, au fait, est répartie en deux groupes. C'est ce qu'on appelle euh, l'hypertension essentielle, dans 90%. C'est de la tension qu'on retrouve sans cause seconde, c'est-à-dire que sans cause initiale. Et les 10%, on trouve des causes euh, derrière qui sont à la base de la, de la tension, qui est curable. En général, quand on, traite la cause, on peut guérir la tension chez certaines personnes. Et donc, est-ce que l'hypotension est aussi dangereuse que l'hypertension Bien sûr, il ne faut pas que les gens confondent euh, l'hypotension. Peut-être que la personne qui va prendre sa tension n'a pas l'habitude de prendre sa tension, qu'il trouve des tensions parfois à 10 ou à 11, quelque chose comme ça, pour l'une des parties de l'attention et que la personne se dise qu'elle est hypotendue. A priori, tu n'as aucun signe clinique. Bien sûr que cette attention avec laquelle tu vis, il ne faut pas te mettre dans la catégorie des hypotendus. Maintenant, en dessous de 10, mais quand même ça, l'attention elle est basse. Et quand l'attention elle est basse, bien sûr qu'il y a des signes qui sont accompagnés. C'est des vertiges, c'est un inconfort, c'est de la faiblesse et qui progressivement ça va évoluer parce que si on ne soigne pas cet état de fait, ça va évoluer vers le choc. Donc c'est urgent de traiter quand la tension baisse à ce niveau, de chercher à relever la tension. C'est important parce que si vous avez votre tension inférieure à 10 alors que vous n'avez aucune pathologie cardiaque connue, il faut faire attention. Il faut aller vite pour relever sa tension et chercher les causes de l'hypotension. Et qu'en est-il de la femme enceinte qui est hypertendue la femme enceinte qui est hypertendue doit être traitée comme tous les autres hypertendus. Et maintenant, il faut distinguer la tension chez la femme enceinte. Il y a de la tension qui peut survenir au cours de la grossesse ou aux alentours de la grossesse qu'on appelle l'hypertension du péripartum. C'est-à-dire que c'est de la tension qui survient au deuxième trimestre, troisième ou même après l'accouchement si la femme n'était pas hypertendue au préalable, peut être traitée. Et c'est une tension qui peut disparaître quand la femme accouche. Et la femme pourra arrêter après quelques mois de traitement quand la tension est bien stabilisée parce que c'est secondaire à la grossesse. Mais attention, il y a des femmes chez qui soit elles ne respectent pas correctement leurs médicaments ou bien parce que la tension refuse de descendre, la tension peut rester de façon permanente et elles resteront à vie hypertendues. Donc il faut traiter. Il faut traiter de façon continue, il ne faut pas arrêter le traitement. donc euh, ces deux cas de figure-là existent et il faut en tenir compte. Merci, docteur. Autre maladie qui prend de l'ampleur au <coughs> Niger, il s'agit notamment du cancer. Sur un million d'enfants de moins de 15 ans, environ 110 à 130 nouveaux cas de cancer sont enregistrés par an selon l'OMS. Selon le Conseil des Nigériens de France, CONIF, cinq types de cancers représentent 70% des cancers pédiatriques en Afrique, dont le Niger. Il s'agit notamment de la leucémie, de la tumeur rénale, entre autres. Avec le soutien du ministère de la Santé et celui de la protection de l'enfance, le CONIF prend en charge le traitement des enfants du Niger atteints du cancer à l'hôpital national de Niamey. Docteur Salamatou, qu'est-ce qu'un cancer et surtout quelle en est la cause selon vous Par exemple, le cancer du rein. Le cancer, il faut savoir que c'est une maladie où ça veut dire que les cellules d'un organe précisément se mettent à se multiplier de manière anarchique. Et quand ça se multiplie de manière anarchique, ça devient une maladie. Donc, euh, rien ne peut contrôler cela. D'accord Et concernant le rein, le cancer des reins qu'on rencontre le plus souvent, c'est chez l'enfant, une néphroblastome. Et là, je ne sais pas, je ne sais pas quelle est la cause. jusque là, on n'a pas trouvé vous n'avez pas retrouvé des cas Jusque-là, moi, j'ai jamais eu des cas de néphroblastome Bon, en fait, euh, même si vous avez le cancer du rein, euh, le cancer est là sur le rein, mais le plus souvent c'est sur un rein, mais si l'autre rein est là, il est fonctionnel. Donc nous, on ne peut pas les voir parce qu'ils seront en pédiatrie, parce que le rein filtre normalement. Celui qui a un rein ou bien celui qui a deux reins, c'est le même travail. Donc quand le cancer est sur l'autre rein, le cancer est bien là, mais l'autre fonctionne. Mais quand ça devient volumineux, que ça commence à comprimer même les voies urinaires, là que même l'autre va être étouffé, il ne peut pas assurer son travail. C'est là que le fonctionnement diminue et c'est là que nous, on peut le recevoir. Mais jusque-là, là, moi, je n'ai jamais vu de cas. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec un seul rein. Un seul rein, oui. C'est la nature des choses. Celui qui a un seul rein et celui qui a deux reins, ils sont même pas d'égalité. C'est le même travail. C'est pourquoi on peut donner son rein à son parent. Merci, docteur, euh, Hamma. quel euh, constat peut-on faire par rapport à l'incidence euh, de ces maladies comparativement à 20 ans, 10 ans en arrière, les tensions par exemple Nous avons dépassé la phase de transition en Afrique. Bien sûr, dans les 20 ans passés, c'était la malnutrition, c'était la diarrhée, c'est les maladies infectieuses, c'est les maladies, c'est les pandémies, la rougeole la variole, maintenant que la vaccination est arrivée à bout de certaines de ces maladies et que l'urbanisation est galopante, c'est bien sûr que c'est les maladies métaboliques et les maladies de transition qui sont en train de dominer le monde. Donc, euh, c'est des maladies qu'on connaissait avant dans les pays industrialisés maintenant, comme euh, ces pays industrialisés nous ont passé la main en matière de malbouffe, donc nous avons aussi pris la main et nous sommes devenus champions parce que la prévalence de l'hypertension artérielle en milieu rural est parce que c'est sous-diagnostiqué est plus élevé qu'en milieu urbain. En Afrique subsaharienne, compte tenu de la sous-évaluation de cette prévalence, parce qu'on n'a pas assez de moyens pour chercher la prévalence dans la population générale en milieu urbain qu'en milieu rural, on ne peut faire que dans nos structures où on a cette prévalence en milieu urbain des patients qui viennent consulter chez nous, mais en milieu rural, la prévalence est très, très, très élevée. Ici au Niger, je ne connais pas une étude qui a été faite dans ce sens. Et donc, euh, bien sûr que nous devons nous atteler pour chercher à savoir euh, quelle est cette prévalence euh, de la maladie hypertensive dans la population générale pour pouvoir chercher des solutions Maintenant, euh, chercher à savoir la prévalence de cette maladie dans la population générale dit avoir les moyens, alors qu'on n'a même pas de moyens pour avoir du matériel. Mais ici, à euh, l'hôpital, euh, par exemple, en un mois, vous pouvez recevoir combien de en cas... un mois, 70% des patients qui consultent consultent pour l'hypertension artérielle, pour de l'HTA. Des hommes, des femmes Des hommes, des femmes de tout âge. Ok, merci. Et de tout sexe. <laughs> D'accord. Voilà. Euh. Donc euh, aussi, c'est les maladies de la peau qui prennent de l'ampleur euh, ici au Niger, notamment chez les enfants. Docteur Doula, vous êtes dermatologue à l'hôpital national de Niamey. Quelles sont les maladies dermatologiques les plus fréquentes que vous rencontrez le plus souvent à l'hôpital national de Niamey Merci. Donc, les maladies dermatologiques que nous rencontrons à l'hôpital national de Niamey sont très nombreuses mais les plus fréquentes sont les eczémas, qui sont d'ailleurs les plus nombreux, soit 388 cas pour 2237 cas de dermatose enregistrés au total en 2015. Il s'agit de l'ensemble eczéma atopique et eczéma acquis. C'est-à-dire C'est des eczémas de contact à des substances. Ça peut être des vêtements, ça peut être les métaux. C'est ce qu'on appelle par habit de langage asthme de la peau. En plus des examens, nous avons parmi les plus fréquentes les acnés, parmi les dermatoses d'origine allergique. Les plus fréquemment rencontrés sont les urticaires, qui sont des causes diverses, qu'on appelle aussi humbourbougaï ou bougaï, tout simplement en germain. Qu'est-ce qui pourrait être euh, la cause euh, de ces urticaires Les causes des urticaires sont très nombreuses. Ça peut être d'origine alimentaire ou d'origine non alimentaire, telles que les pollens, donc à cause de la floraison. Ça peut être aussi la température, ça peut être des causes infectieuses et les infections, ça peut être des bactéries, des virus, des champignons. Euh, ça peut aussi être des urticaires euh, dits à la poussière ou au poil des animaux avec lesquels nous cohabitons. Ça peut être les chiens, les chats ou bien les volailles. Et parmi les dermatoses infectieuses, nous avons euh, les dermatoses bactériennes, dont les plus fréquentes sont les folliculites, l'impétigo qu'on appelle sargalotti en germain. Nous avons des dermatoses de cause virale, dont les plus fréquentes sont les verrues, les condylomes ou végétation vénérienne, qui sont des maladies sexuellement transmissibles et qui sont associées à la survenue des cancers du col de l'utérus. toujours parmi les dermatoses les plus fréquentes, nous avons des dermatoses dues aux champignons, à savoir les teignes, qu'on appelle corcor, ou maquero en les dermatophysies, qu'on appelle tchangwagachindi, donc, euh, y a-t-il parmi ces dermatoses que vous venez de citer euh, celles qui sont plus graves et euh, qui peuvent mettre la vie en danger En parlant de la gravité, je pense que vous faites allusion au pronostic vital. Et parlant du pronostic vital, la majeure partie de ces dermatoses que nous venons de citer sont bénignes, sauf en cas de survie des complications. Néanmoins, il existe des formes d'allergie d'emblée graves, notamment le syndrome de Lyell, qui peut mettre en jeu rapidement, parfois, le pronostic vital. C'est une allergie suite à la prise des médicaments et qui se manifeste par un décollement épidermique intéressant au moins 30% de la surface cutanée. Donc, euh, est-ce qu'il y en a qui sont héréditaires parmi ces dermatoses Oui, parmi ces maladies, il y a celles qui sont héréditaires, telles que l'eczéma atopique. Euh, c'est une maladie donc euh, d'origine allergique et génétique. Il suffit tout simplement qu'un des parents du patient soit atteint de la maladie pour que la maladie lui soit transmise. Et donc, euh, est-ce qu'on peut soigner ces maladies-là et en guérir Oui, on peut les traiter, mais les guérir en est une autre question. Ce sont surtout les dermatoses d'origine infectieuse que nous avons citées si haut et les toxidermies qu'on peut traiter et guérir. En ce qui concerne les dermatoses héréditaires, comme l'eczéma atopique, le traitement a pour but de soulager le patient le maximum possible. Et nous aboutissons le plus souvent à une rémission totale au point que la peau puisse retrouver son intégrité. Et le traitement médical s'accompagne d'une éducation thérapeutique du patient qui consiste à donner des conseils aux malades. Euh, sur le plan alimentaire, on conseille aux malades d'éviter la consommation des œufs et des aliments qui contiennent l'œuf, tels que la mayonnaise, tels que certains biscuits, tels que les gâteaux puisque c'est des aliments qu'on prépare à base de œufs. Sur le plan cosmétologique, on conseille aux malades d'éviter les contacts directs sur la peau de parfums et de substances parfumées. Et sur le plan vestimentaire, on conseille aux malades de s'habiller en coton 100%, donc d'éviter les habits en nylon. Et en ce qui concerne la variation des saisons, on conseille aux malades de se protéger contre la chaleur intense et le froid intense. Donc, euh, parmi ces dermatoses, est-ce qu'il y en a qui sont favorisées par euh, la saison des pluies Oui, il existe euh, parmi ces, ces maladies de la peau, celles qui sont favorisées par la saison des pluies, telles que le prurigo, dit à la piqûre des moustiques, et la larva migrans cutanée, dit à la pénétration dans la peau des larves d'ankylostome, qui sont des parasites qu'on retrouve chez les animaux, tels que les chiens, les chats l'homme s'infecte une fois en contact avec les sols humides souillés par les déchets de ces animaux. Donc, euh, vous avez parlé du prurigo, comment ça se manifeste et puis euh, s'il y a une prévention. Euh, en ce qui concerne le prurigo, il s'agit d'une dermatose d'origine allergique, due à une hypersensibilité cutanée à la salive des moustiques et de certains insectes suite à leur piqûre. Il est favorisé par la saison des pluies. Le prurigo est aussi favorisé par l'atopie. L'atopie qui est la susceptibilité de développer des allergies à des substances diverses, parmi lesquelles la salive des moustiques. les atteint toutes les races, les deux sexes et tous les âges, avec une prédominance chez les enfants. Il se manifeste par des démangeaisons au niveau des zones découvertes, bras, avant-bras, dos des mains, jambes et dos des pieds, avec respect des pommes des mains et des plantes des pieds. Puis, apparition progressive des boutons solides, durs, rougeâtres au niveau de ces zones. Puis, les boutons contenant le liquide se rompent en quelques jours suite au grattage intempestif, puisque nous avons parlé de démangeaisons, laissant donc place à des petites plaies sointantes à l'absence de traitement. Et si les malades continuent à être exposés à la piqûre des moustiques, l'évolution peut se faire vers des complications telles que l'extension des lésions au reste du corps ou vers la surinfection. La guérison peut être spontanée ou sous traitement médical lorsque le malade évite la piqûre des moustiques et insectes en adoptant une bonne protection vestimentaire et en dormant sous moustiquaire, consistant ainsi la prévention de la maladie. C'est-à-dire, dès que le soleil tombe, le patient doit porter des chemises manches longues, des pantalons qui descendent bien avec port des chaussettes si possible afin de se protéger bien contre la piqûre de moustiques. Les sprays et les pommades qu'on applique sur la peau, est-ce que ça peut nous prévenir euh, contre euh, ces piqûres d'insectes et de moustiques euh, Les anti-moustiques peuvent nous protéger, mais de façon vraiment très modérée, parce que ces anti-moustiques ont un délai sur la peau. Après un certain temps, l'effet n'est plus là. Et en ce moment-là, les moustiques vont avoir accès à notre corps. Ce qui fait la différence avec les habits que nous portons. Merci. Donc, euh, une dernière question avant de clore euh, ce forum. Docteur Salamatou, quel conseil produirez vous à la population afin de prévenir les maladies du rein Le premier conseil, c'est surtout, il faut que les gens boivent beaucoup d'eau. Éviter l'automédication éviter les médicaments traditionnels et pour les hypertendus, il faut se faire suivre du même que les diabétiques. Merci. Docteur Hama, vous êtes cardiologue à l'hôpital national de Niamey. Quels conseils produirez vous à la population pour euh, éviter les problèmes de tension et surtout quels comportements adopter pour euh, les prévenir Donc, euh, dans le cas de la prévention de l'hypertension artérielle, c'est comme dit l'adage, on ne peint pas un mur sans pouvoir enlever les termites. Euh, les termites, c'est quoi C'est qu'il faut une bonne hygiène alimentaire, un régime qui est moins salé, éviter de manger euh, tout ce qu'on nous présente euh, dans les publicités comme bouillon, très salé, éviter tout ce qui est trop gras, faire du sport, prendre les médicaments aux heures indiquées, et s'il y a des problèmes, il faut demander l'avis de votre médecin. Donc euh, sur ce, je pense que si les patients sont observants vis-à-vis de tout ce qu'on les a produit comme conseil, bien sûr qu'on peut qu'on peut minimiser les risques cardiovasculaires et prévenir bien sûr les autres atteintes rénales. Et s'ils font ça, on va améliorer bien sûr leur mode de vie et leur qualité de vie. Merci, docteur. Ce sont sur ces conseils des médecins que se referme le forum d'aujourd'hui consacré à l'hypertension artérielle, les maladies de la peau, les maladies du rein et des cancers pédiatriques. Nous étions avec euh, Dr Salamatou Yaouro, néphrologue à l'hôpital national de la Mordée. Dr Idrissa Hama, médecin cardiologue à l'hôpital national de Niamey. Et Dr Dulla Moussa, dermatologue aussi à l'hôpital national de Niamey. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute euh, du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain à 18h15 avec une autre thématique du forum. Au revoir.